Ah non, il ne faut pas qualifier mon président Il se fiche de la République. Qu'on soit, qu'on respecte le président Alpha Condé. Il faut le respecter. Je ne permets à personne de le dénigrer. Je ne le permets pas. Mayouma pas dépasser le président Alpha Condé. mesure, tes paroles, mesure tes paroles, mesure tes paroles. Tant que Mangifi, le président Alpha Condé, qu'est-ce que traiter d'un traite ou bien d'un dictateur ou bien d'un qui Je n'accepte pas. Le tueur, c'est Loudaleng.

Non, d'accord non, d'accord non, mais du ma may man ma toog fii ñu traité sama président de je suis désolé fii kay ma wax la yaawal dënn Macky Sall fi moy suñu président fi lu ne la fii dégg wóor na ma ni dina tok ay ngoon yo xamni ne fi wax du ko neex. mais li ngeen wax ni sama président du ko donc vous supporterez qu'on parle de dire à Macky Sall. comme on veut. on dit n'ose pas le dire à Macky Sall et Charles tu continues.

grand su bu su su demee noonu rek euh, mën na ñaanalante il faut que ça soit clair aussi fi ku ci euh, nek lula neex ngay wax Charles vas-y euh, je n'ai pas dit que Condé ne vaut rien kooku ñemewuma mako wax par contre il se fiche de la constitution il se fiche c'est ce que j'ai dit qu'est-ce que ça veut dire